Espace femme. Espace femme. Espace femme. Espace femme. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous hebdomadaire Espace Femmes de Studio Kalangu consacré aux questions d'actualité ou de société qui concernent particulièrement les femmes. Espace Femmes, c'est aussi un espace d'échange avec des invités dans le respect mutuel. Selon femmes, Africa Solidarité, la sécurité dans la région du Sahel est gravement menacée depuis plusieurs années sous l'effet de violents conflits qui ont éclaté dans la région de l'émergence d'acteurs violents non étatiques, de groupes terroristes et de groupes criminels organisés impliqués dans le trafic illégal d'armes, de drogues et d'êtres humains. Le Niger partage ses frontières avec plusieurs pays en guerre, la Libye, le Nigeria et le Mali, et subit les conséquences de ces conflits cette instabilité régionale entraîne de larges déplacements de populations, notamment dans les régions de Difat, Tilaberi, Tawa et tout récemment de Maradi, qu'on peut estimer à plus de 300 000 personnes au total venues du Mali et du Nigeria, selon le site d'OCHA, le bureau de la coordination des affaires humanitaires au Niger. Quelle est la situation des femmes dans ces différentes zones de conflit Quelles sont leurs difficultés au quotidien De quelle Assistance, ces femmes bénéficient-elles Quelle est la contribution des femmes pour le retour de la paix Nous débattrons donc ce soir de femmes et conflits, femmes victimes et actrices de paix. Fidèles auditeurs et auditrices, je suis Diallo Maria Makenda pour vous servir. Vous nous suivez à travers notre réseau de radios partenaires disséminés partout au Niger. Bonsoir à messieurs, dames. Bienvenue à ce débat autour de femmes et conflits, femmes victimes et actrices de paix. Nous recevons ici, dans ce studio, par téléphone, la vice mère de Bani Bangou Bibata Yassi, 47 ans, enseignante de métier, native de Bani Bangou dans la région de Tilaberi. Bibata Yassi est entrée en politique en 2011, à l'époque surtout pour défendre l'inscription et le maintien des filles à l'école. Bonsoir Madame la vice-maire, c'est un plaisir euh, de vous compter parmi nos invités. Bonsoir. Maimouna Seni Yaye nous vient d'UNIFAM Niger. UNIFAM est l'agence des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Dans ce cadre, elle intervient au Niger depuis 2007. Maimouna Seni Yaye est chargée de programme sur les violences basées sur le genre. Bonsoir et merci d'avoir accepté d'être des nôtres. Notre troisième invité est Khadija Abdou, responsable communication du CICR à Niamey, Communauté internationale de la Croix-Rouge. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir euh, parmi nous. Tout de suite, entrons dans le vif du sujet. Je vous propose d'écouter des témoignages de femmes nigériennes qui ont fui les conflits ou les attaques. Elles racontent leur calvaire. Nous vivions à Damasak avec mon défunt mari. Il était handicapé comme moi et c'est à Damasak qu'il a été attaqué et tué je me retrouve seule avec cinq enfants que j'élève comme je peux à mendiant. Comme il m'a laissé, je n'ai que la mendicité comme recours. Même si dans mon état, c'est pénible de tenir sous cette forte chaleur. Quelquefois, je gagne ma pitance quotidienne et d'autres fois, je ne gagne rien. Mais je n'ai pas le choix. Je voudrais bien me lancer dans un petit commerce, mais sans un bon fonds de commerce, ce n'est pas possible. La mendicité est devenue mon quotidien. Chaque jour, je cherche le nécessaire pour nourrir mes enfants. Nous sommes régulièrement enregistrés sur la liste des réfugiés, mais je n'ai jamais bénéficié d'une aide de ce service, sauf celle de la vieille femme qui nous a offert un toit. Je m'appelle Hawa Sosal. Je viens de Malanfatori. C'est à cause de Boko Haram qu'on est venu ici à Difa, ça fait trois ans. Maintenant, nous sommes en parfaite santé. Seulement, nous avons des difficultés de fonds de commerce. Il n'y a pas aussi la possibilité d'aller au champ. Nos enfants, filles et garçons, n'ont pas de travail. Nous vivons dans cette oisivité. Des fois, on arrive à avoir de quoi souvenir à nos besoins, des fois, c'est pas évident. Khadija Abdou, quelle est donc euh, la situation actuelle des femmes déplacées à Difa Khadija Abdou est donc responsable de communication au CICR, Comité international de la Croix-Rouge. Merci Marie, merci de m'avoir donné la parole. À travers les témoignages des deux femmes qui sont intervenues, on a une idée de leur vulnérabilité. Ils sont, elles sont vraiment dans une situation de vulnérabilité, vulnérabilité accentuée due à l'insécurité et à toutes les conséquences liées à l'insécurité, les conséquences humanitaires, donc une vulnérabilité qui est là en termes d'accès aux services sociaux de base, parce qu'on a un certain nombre, les nombre que vous venez de mentionner, de déplacés qu'on a dans la région de Tifa. Ces déplacés, ces mouvements de population qui entraînent une pression, qui exercent une pression. Déjà, on a une communauté haute qui a accueilli parce que je dois mentionner cela, l'hospitalité de ces communautés hautes qui ont accueilli ces déplacés, ces réfugiés, ça pèse sur leur quotidien. Et les services sociaux de base, l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture et l'accès aux services sociaux de base, c'est vraiment compliqué, surtout pour des femmes. En écoutant l'un des témoignages, une femme qui est responsable de ménage, ça accentuent de plus leur vulnérabilité. Comment est-ce que euh, euh, le CICR arrive à donc à soutenir ces, ces femmes Les programmes du CICR dans la région de d'IFA depuis 2015, depuis que le conflit a éclaté, le CICR est présent auprès de ces communautés déplacées et réfugiées dans les camps de déplacés. le CICR les aide en termes d'accès dans l'urgence les biens essentiels de ménage, la distribution des vivres. Dans tous nos programmes du CICR en termes d'accès à l'eau, en termes d'accès à la santé, à la nourriture, avoir des biens essentiels de ménage, on tient compte des besoins des femmes. Dans les évaluations que qu'on fait pour nos programmes, on tient compte des besoins des femmes et voir quelle réponse appropriée qu'on doit apporter à ces femmes. Si je peux vous donner un exemple, ces biens essentiels de ménage sont surtout constitués de nattes. C'est vraiment dans l'urgence. Des tentes, des seaux, du savon et aussi les biens en vivre constitués de, de mille, de haricots, d'huile, de sel et des céréales, des super céréales pour les enfants. On a aussi des programmes AGR au profit des femmes parce que lorsqu'on rencontre les, ces femmes, le plus souvent dû à la pérennité liée au conflit, les femmes elles ont besoin, j'ai entendu ça dans le témoignage, des activités génératrices de revenus. Elles dépendent totalement de l'aide humanitaire, elles voudraient avoir leur autonomie. Et donc par rapport à ces doléances des femmes, au niveau du CICR, on a identifié depuis l'année 2016-2017 des groupements de femmes déplacées internes qu'on soutient à faire des activités génératrices de revenus à travers des boutiques. Elles vendent des biens au niveau d'épicerie, que ce soit du savon aux autres déplacés dans les camps. Et concrètement, cette année, on a identifié trois groupements de femmes dans la région de Difa, la ville de Difa. Ces trois groupements sont Aitimet, Kousoloa et Hajan Nessa, constitués de 92 femmes, dont 26 femmes qui sont chefs responsables de ménage. Quand je dis responsables de ménage, c'est surtout des femmes qui ont de qui ont la, charge euh, l'éducation de, l'éducation des enfants, la santé et la nourriture. Elles sont responsables de ça. Et j'ai entendu aussi deux fois cette pression fait que dans les témoignages, elles vont faire des choses qui ne sont pas dignes, la mendicité. Et la dame en question qui donc a témoigné, c'est une précision, est handicapée justement, mais elle, aurait pu faire autre chose si euh, elle avait bénéficié d'une aide. Et ça, c'est ce qu'elle nous a dit lors de l'entretien. Et elle a, elle a même mentionné dans, dans son témoignage, elle a dit que effectivement, elle a inscrit son nom sur une liste, sur plusieurs listes, et elle n'a jamais bénéficié donc euh, d'aide. Justement, par rapport à ça, Khadija Abdou, et Comment se fait donc la distribution Comment le CICR procède On travaille avec les communautés, les communautés au niveau des sites, au niveau des zones d'intervention. Nous avons trois sites, Garinwanzam, Tumour et Bosso, où on intervient. Donc on travaille avec les leaders communautaires qui nous aident à identifier les bénéficiaires et on les donne des, des titres de distribution. Par rapport à cette question, tout à l'heure je vous ai parlé que dans nos programmes de janvier 2019, au niveau de la délation, dans notre approche, on a décidé de vraiment tenir compte des besoins des femmes. Parce que deux fois, oui, on peut avoir des, vulnérables qui sont là, mais si je prends ce cas, c'est des cas concrets qui sont là. Elles sont vulnérables, mais elles n'ont pas été identifiées. Donc nous, à notre niveau, on va travailler dessus pour vraiment avoir les vrais vulnérables. Une femme victime qui est veuve, qui est handicapée, là, c'est trop juste. C'est vrai, c'est donc euh, un cas particulier. Et donc ça, il se pourrait qu'il y ait d'autres cas aussi euh, justement qui, qui sont en rapport avec cet exemple euh, qu'on vient de voir. À Tilaberi, la situation sécuritaire reste très préoccupante. Aussi, les mouvements de population fuyant les conflits engendrent des besoins humanitaires pressants. Au 28 février, on comptait environ 5000 personnes déplacées internes dans la région selon le cluster protection. Suite aux menaces sécuritaires, l'accès humanitaire reste particulièrement difficile dans certaines localités accueillant les personnes déplacées internes, les axes euh, Inates, euh, Aïrou et Abala, à Kerfan euh, notamment, où nous sommes à présent à Tilaberi, précisément à Banibangou, Bibata Yassi, vous en êtes la vice-maire. Vous êtes avec nous, Bibata Yassi, vous êtes à l'écoute, j'espère. Oui, je suis à l'écoute. Est-ce que vous êtes en contact avec des femmes victimes des conflits donc, euh, les femmes que je connais n'ont pas été victimes directement, mais indirectement, puisque, comme l'a dit Khadija Abdou, il y a des femmes qui aussi ont perdu leur mari dans ces conflit là et qui maintenant, on ne sait pas comment elles aussi arrivent à se devenir. Elles sont maintenant devenues des mères de ménage avec des orphelins. Elles sont nombreuses, hein, ces, femmes Oui, elles, sont nombreuses. Il y a eu beaucoup de victimes dans la commune. Alors, comment eh, ces femmes vivent au quotidien donc, elles vivent avec les contributions, les aumônes, avec euh, l'aide que mènent les humanitaires et les contributions des parents aussi. Et la majorité s'est déplacée dans des sites de déplacés. Alors, quel est l'impact de cette insécurité sur ces femmes il y a plusieurs femmes qui se sont retrouvées chefs de ménage. Vous savez, en ce moment-là, en ce temps, même un homme, c'est pas facile d'être chef de ménage, à plus forte raison une femme avec 10, 11, 13 enfants. Et il y a aussi l'état d'urgence qu'on a instauré à cause de ces conflits-là, cette insécurité. Donc, suite à cette euh, à cet état d'urgence, il n'y a pas de déplacement de moto nuit et jour. Et ça, ce sont les mesures sécuritaires qui ont été prises par les autorités, notamment le couvre-feu. Vous parlez bien de, de cela. Ce couvre-feu-là, c'est les motos qui nous servent d'évacuation de, des malades, de fois qu'un enfant est malade ou bien même c'est une femme, on peut le transporter sur les motos. Et maintenant, à cause de cette insécurité-là, les motos ne circulent pas. Les femmes, même si, si la femme est en travail, elle sera transportée dans une charrette. Deux fois 40 km sur une une charrette. Tout ce, tout soleil ardent là. Certaines arrivent à destination, d'autres rentrent là-même en cours de route. Vous voyez il y a aussi la psychose. Des fois, dans les champs, au ramassage du bois, vous savez, nous, les femmes rurales, on va à la brousse pour jeter du bois de chopin. Et à la, moindre bruit, on dit, ah, c'est les bandits, donc ah, c'est la fuite. Ah, psychologiquement, avec des grossesses avancées, avec des enfants, par exemple, le, site maraîcher, le site maraîcher n'est pas loin. Une femme, dans le site maraîcher, avec deux ou trois enfants. Et maintenant, automatiquement, on dit, ah, les bandits arrivent. Maintenant, cette femme-là, elle sait comment faire. Elle est avec les enfants, elle court, elle prend un enfant au dos, l'autre sur le bras, vous voyez, et deux fois avec des grossesses avancées. Est-ce que les autorités euh, ont commencé à enregistrer ces femmes qui sont dans les besoins ou ces femmes qui se retrouvent sur des sites parce que elles sont dans l'incapacité de répondre aux besoins de la famille Est-ce qu'il y a une tentative d'enregistrement euh, de ces femmes en tout cas, toutes les femmes de la commune sont dans le besoin. C'est vraiment <laughs> grave pour la commune. C'est bon à savoir ça. Ah, mhm. euh, je reviendrai euh, vers vous, donc gardez l'écoute, Khadija Abdou. Et quelles sont les, zones d'intervention du Comité international euh, de la Croix-Rouge Conformément à notre mandat, organisation qui a reçu de la communauté internationale à travers les conventions de Genève de mener la mission exclusivement humanitaire d'assister et de protéger les victimes des conflits armés au Niger, on intervient dans la région de Tilaberi, dans la région de Difa et dans le nord Tawa Agadez. Dans la région de Difa, si je prends précisément Aboso, Garimwanzam et Tumor, on a décidé de déplacer aussi dans les autres communes ou départements de la région de Difa. Précisément en termes d'accès à la santé, les soins de santé, on soutient le CSI de Bosso en lien avec euh, la donation en matériel et en médicaments. On facilite les consultations, que ce soit des consultations curative, ce qui fait que plus de milliers de personnes, de patients ont été soignés grâce à l'appui du CICR à Bosso. Ça, ce sont les actions que vous menez pour soulager la souffrance des victimes. Des victimes. Mhm. Et aussi en termes de consultations liées à la femme, les consultations prénatales. On fait des consultations prénatale au profit de, ces femmes parce qu'on a une, on a pris en charge une sage-femme qui est au niveau du CSI de Bosso. En son temps, en 2015, on avait la seule sage-femme, ce qui fait que le CICR assure à prendre en charge tous les aspects qui ne sont pas couverts par la gratuité des soins, le CSR les prend en charge. Et, la situation a évolué aujourd'hui. Là, vous parliez de 2015 concernant Bosso. On continue de soutenir Bosso. On continue de soutenir. Elle n'est plus la seule sage-femme, non il y a une seule sage-femme. Jusqu'à présent, ouais, Que le CSR prend en charge pour assurer des consultations prénatales au profit des femmes. Et on a eu à former des femmes relais dans ces régions, dans la région de Tifa, pour pouvoir sensibiliser les femmes à aller aux consultations prénatales, à vacciner leurs enfants et à bénéficier aussi de l'accouchement assisté. En matière d'accès à l'eau, le fait que dans notre politique, on fait en sorte que les infrastructures, les puits, soient à proximité des femmes afin de limiter la distance de corvée et de ne pas les exposer. Parce que à cause de l'insécurité, les laisser aller à une certaine distance, ça pourrait les exposer en écoutant, en écoutant la vice-mère, ce qu'elle est en train de dire, l'exposition des femmes, on fait en sorte pour ne pas exposer Comment faites-vous euh, Khadija Abdou, euh, quand je dis vous, je parle donc du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, pour accéder à ces zones. On sait que parfois, c'est quand même difficile d'accéder à ces zones. Comme je vous ai dit, notre mandat, on est une organisation humanitaire qui est que les États lui ont permis d'assister et de protéger les victimes des conflits armés. Pour accéder à ces zones, on doit discuter avec les partis, avoir des garanties de sécurité auprès des autorités. Sans ces garanties de sécurité, on ne pourrait pas aller à certains endroits. cest à dire que souvent, vous, êtes escorté, c'est ça Notre mandat ne nous permet pas d'avoir d'escorte militaire. On ne se fait pas escorter. Alors, quelles sont ces garanties de sécurité Par exemple, je vous donne un cas. On demande aux militaires s'il y a des opérations militaires. Le fait d'aller dans la zone, ça pourrait impacter sur nous. Donc, on pourrait pas aller. Ça veut dire que vous profitez des, moments où il n'y a pas de, comme vous l'avez dit. pendant le conflit, on cherche ces garanties. Chaque fois, concrètement, comment ça se fait On fait des notifications de mouvement aux autorités pour que les autorités puissent savoir là où on va. Quand il y a des soucis, les autorités peuvent nous dire ne partez pas. Si je prends dans la région de Tilaberi, il y a des zones Chatouane, ailleurs ou où on intervient. On a ces programmes d'accès à l'eau, les programmes d'assistance et aussi les programmes d'accès aux soins de santé primaire. Euh, selon OCHA, la région de Difa compte environ 252 000 personnes déplacées, dont 129 000 personnes déplacées internes des Nigériens et 108 000 réfugiés nigériens. Les facteurs de risque auxquels les femmes et les filles font face dans ces situations sont le vivage et donc la charge de la famille, le manque de sécurité physique, le viol et les agressions sexuelles, les violences psychologiques et l'exploitation et les abus sexuels en préjudice des enfants. Quelles sont les mesures qui ont été prises au Niger pour les protéger Je m'adresse particulièrement. Oui, c'était un bon moment que <laughs> Maïmouna Seniaye <laughs> n'a pas pris la parole. Mais voilà, c'est son tour à présent. Maïmouna c'est Béni est chargé du programme sur les violences basées sur le genre. Vous avez donc entendu cette question. Pouvez-vous nous expliquer Ok, merci. Euh, je pense qu'en tout cas, ONU Femmes, de par notre mandat c'est l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, nous nous intéressons également à la question des femmes, euh, même en période de conflit. Et ce qui nous a conduit, euh, avec euh, les événements de DIFA, à conduire une étude justement sur le profit des survivantes des attaques terroristes dans la région de DIFA. Donc, l'objectif vraiment était de comprendre les différentes formes de violence auxquelles peuvent être confrontées les femmes, même en période de conflit. Mhm. Et donc, il ressort clairement de cette étude que vraiment les nouvelles formes de conflits que nous connaissons aujourd'hui, les conflits euh, en ces temps, les femmes font vraiment euh, face à des formes multiples de, de violence. Le plus souvent, c'est le viol, donc les violences sexuelles. De plus en plus, aujourd'hui, on voit que les femmes sont utilisées comme armes de guerre également, utilisées euh, comme euh, des kamikazes. Et nous voyons le traumatisme auquel font face les femmes, surtout du fait que souvent la plupart des femmes qui témoignent ont vu leur mari se faire à, égorger à, leur présence, ce qui crée des traumatismes et aussi le viol. Et on connaît également de manière euh, naturelle, sociale, on sait que les femmes, du point de vue de leur corvée, même dans les périodes de conflit, et ces mêmes formes de corvée poursuivent les femmes qui doivent s'assurer que la famille a bien mangé, doit s'assurer qu'il y ait de l'énergie, donc la recherche du bois. Et souvent, c'est en ces moments encore les femmes font face à des violences. Et nous avons également constaté que pendant les périodes de fuite également, également des communautés. Étant enceinte, elle ne peut pas s'en défaire. Ayant des enfants, elle ne peut pas s'en défaire. Et donc, elle ne euh, peut pas les abandonner. Elle ne peut pas les abandonner. Un des phénomènes, également la question d'hygiène menstruelle. Donc, la femme, même en période de conflit, elle fait face à ses besoins naturels d'hygiène menstruelle. On constate que euh, les conflits affectent les femmes différemment des hommes. Elle souffre plus. Elle hein. souffre parce que c'est difficile de voir son mari se faire égorger, ses frères, et qu'on utilise parfois pour enterrer ses, leur, mari, leur frère, ainsi de suite, et vivre tout cela et fuir à des kilomètres. Et à partir de cette étude, et nous avons essayé d'apporter des solutions euh, plus ou moins appropriées. Nous avons essayé de travailler d'abord au niveau des acteurs humanitaires eux-mêmes pour essayer de comprendre d'abord la problématique genre dans les questions de conflit, pour comprendre que ces conflits affectent différemment les hommes, les femmes, euh, les jeunes et même les femmes entre elles, les femmes les plus âgées, les jeunes femmes, ainsi de suite, pour savoir vraiment comment traiter les cas des femmes, pour des femmes qui ont été déjà traumatisées et comment elles sont accueillies dans les communautés d'accueil, quel traitement il faut euh, réserver à ces femmes qui arrivent au niveau de ces euh, sites de déplacés ou de réfugiés. Maintenant, au niveau des femmes même, qu'est-ce que nous essayons de faire Parce que souvent, la femme qui, qui a été victime de viol, elle ne peut pas facilement le dire du fait vraiment de, notre euh, culture et dans toutes les cultures pratiquement le viol, c'est pas facile de le dire. Alors, alors Mouna Senia, et ces cas sont, sont nombreux, les cas de femmes violées. Oui, il y a beaucoup de cas que nous avons eu à rencontrer, mais pour les identifier, c'est pas facile. Il faut mettre des stratégies en place, notamment à travers euh, les psychologues pour vraiment essayer de détraumatiser ces femmes-là et aussi des relais qu'on a formés et mis en place qui peuvent identifier des signes et nous avons tout ceci, nous avons essayé de les organiser autour des espaces de cohésion que euh, nous, avons créés pour les femmes qui vont se retrouver là-bas, causer, discuter pour pouvoir vraiment identifier les femmes qui étaient confrontées à ces questions et travailler parallèlement avec les services de santé que nous équipons euh, spécifiquement sur vraiment le matériel médical qui concerne euh, les femmes. Donc nous équipons les centres de santé pour vraiment, surtout pour ce qui concerne les questions spécifiques euh, des femmes et des filles. Sur les sites, les femmes doivent faire les mêmes corvées. Donc qu'est-ce que nous essayons de faire Nous essayons également de d'alléger vraiment les tâches des femmes au niveau de ces sites à travers euh, les énergies renouvelables, par exemple les foyers améliorés, aussi le, la question de, de gaz euh, butane. Euh, à l'arrivée euh, des déplacés, des réfugiés dans la région de Difa, on sait déjà que c'est une zone désertique. Vous n'imaginez pas euh, comment euh, le bois s'est fait rare et du coup, euh, les déplacés, on s'y sont mis même à couper du bois, des arbres encore verts pour pouvoir se procurer des abris en attendant l'assistance humanitaire ou même pour pouvoir s'offrir en tout cas de l'énergie pour la cuisson de leurs aliments. Et on n'a pas oublié également l'aspect nexus développement humanitaire parce que l'étude a ressorti que les femmes, des fois, c'est pas seulement les femmes, mais aussi spécifiquement les femmes, quand on donne l'aide, elles consomment mais le problème, c'est que quand elles ne sont pas occupées, l'oisivité fait qu'elles revivent leur situation. Donc, il faut trouver des moyens pour les occuper à travers des activités génératrices de revenus et aussi des activités de formation professionnelle pour que déjà les préparer à leur réinsertion socio-économique. Et donc, euh, elles peuvent euh, produire des articles sur, euh, dans les camps, dans les sites qu'elles peuvent revendre et ça les occupe, y compris, on n'a pas oublié les jeunes aussi parce que souvent, les auteurs des viols sur les camps sont souvent les jeunes là qui sont aussi dans cette euh, oisivité. Et du coup, il faut les occuper à travers ces activités. Lorsqu'il y a des constructions sur les, les, les sites, c'est ces jeunes là qu'il faut former en, en, en, production de briques, aussi en maçonnerie, qui peuvent être impliqués dans ces activités. Du coup, il faut faire en sorte que, par exemple, l'assistance humanitaire qu'il faut donner, comment tenir compte des besoins des, des populations alors du coup, on constate que souvent, le matériel qui est donné en assistance ne, ne répond pas forcément aux besoins. Les femmes, souvent, ne savent même pas utiliser ces casseroles. Donc nous, on dit, mais écoutez, on peut, par exemple, produire les marmites au niveau local en formant les jeunes qui vont faire ce travail. Les humanitaires peuvent prendre ça là-bas et donner, et c'est plus adapté aux besoins des femmes parce que c'est ça qu'elles connaissent. Ou c'est voir les, les kits de dignité qu'on donne, souvent, c'est des serviettes hygiéniques, jetables, où les femmes n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser. elle ne savent même pas comment l'utiliser. Donc, euh, il faut accompagner avec des actions de sensibilisation sur l'utilisation, sur l'élimination des déchets et même la production de serviettes, même euh, comme on le fait de manière traditionnelle, les serviettes réutilisables. Parce que la question des femmes, elle est vraiment un peu complexe. Et on n'a pas aussi oublié l'autre côté, toujours par rapport à leur protection on travaille avec euh, les forces de défense et de sécurité, conforme également sur les aspects du genre en conflit et comment prendre en charge les femmes en période de conflit, notamment même les fouilles quand les réfugiés arrivent. On ne peut pas fouiller dans les mêmes conditions une femme que un homme. Donc tout ça, on les fait comprendre. Et on est allé même à créer des unités genre au niveau des, des, des casernes des forces de défense. On les a formés, on les a outillés, comment assister les femmes. Donc voilà vraiment de manière euh, euh, ramassée un peu comment les, les conflits affectent les, affectent les femmes et comment et nous avons tenté d'apporter des, des réponses. Des solutions. Voilà. Alors euh, je poserai cette question à, à, vous deux. Je parle donc de Memouna Seniaye et donc Khadija Abdou. Est-ce que vous avez fait le constat que la situation de ces femmes dans ces différentes euh, régions, est-ce que cette situation est similaire à Kadidia Abdou Kadidia Abdou est donc responsable euh, de communication au niveau du CICR. Comme ce sont des communautés différentes et qui ont des modes de vie différents, donc oui, je ne peux pas dire qu'il y a une similitude, mais la similitude, c'est lié surtout aux conséquences humanitaires, le déplacement, l'impact sur les services sociaux de base. Là, oui, c'est la même situation en termes de mode de vie, c'est des communautés différentes. Non, je parlais justement de, cette situation d'accès euh, aux services euh, sociaux de base. Elles ont, les mêmes besoins. Elles ont les mêmes besoins. Mais on a, vous avez aussi fait le constat. Oui, effectivement, c'est les, mêmes besoins. C'est comme euh, le Kadiga disait, c'est les mêmes besoins en termes d'accès aux services sociaux de base, avec quelques petites différences par rapport vraiment à l'accessibilité en termes de distance, parce que de plus en plus à DIFA, de plus en plus l'intervention fait que euh, on ne peut pas dire qu'on comble les besoins, mais on sent qu'il y a beaucoup de réponses qui ont été apportées par rapport euh, à Tawa ou euh, à Tilaberi où ça part, ça revient, c'est pas, c'est en termes vraiment d'accessibilité, de, disponibilité des services par rapport au, type de localité, au type de conflit également. On peut donc dire qu'il y a une évolution, grâce aux actions menées, les actions humanitaires. Voilà. Donc au Niger, les femmes sont toujours à l'avant-garde du combat pour la promotion et la préservation de la paix et de la sécurité. Aussi, certaines se sont organisées au sein d'une structure comme le réseau des femmes pour la paix, euh, REFEPA. Justement, une des anciennes militantes de ce réseau, Zara El Hadja Mahamadou Dita Alitane, native d'Ingal, région d'Agadez, présidé président de l'Association des femmes nigériennes contre la guerre euh, FNCJ. Son portrait. Hajia Azara Mamadou est née en 1960 dans le village de Tigitendagar dans la région d'Agadez. Elle est mère d'une seule fille. Hajia Azara Mamadou est la première femme native d'Agadez ayant occupé un poste d'administrateur délégué de la grande ville du Nord de 2000 à 2004. C'est une femme qui a lutté pour les droits de la femme et de l'enfant et beaucoup milité politiquement. Hajia Azara Mamadou dit Alitan a joué un rôle important au service de la paix et de la cohésion sociale après les rébellions Touareg des années 1991, 1995 et 2007-2009. Du moment où il n'y avait pas eu de rébellion, il n'y avait pas eu de conflit, le Niger était en paix. Et après cette paix-là, nous avons connu les moments difficiles qui sont les moments des différentes rébellions. Donc ce n'est pas à comparer. La paix n'a pas de prix et la paix est la plus grande richesse qu'un pays peut avoir. Et la plus grande richesse pour un être humain. S'élever quand on veut, passer la nuit où on veut, être libre de ses mouvements. Les femmes et les enfants sont toujours les premières victimes victimes de conflits armés. Haja Azar Mamadou en a été le témoin chez elle de la région d'Agadeza. Pour elle, c'est la pauvreté qui pousse les jeunes à rejoindre les groupes terroristes. C'est pourquoi il faut leur offrir de meilleures conditions de vie, un meilleur accès à l'éducation et à l'apprentissage des petits métiers pour subvenir à leurs besoins. Il faut aussi les sensibiliser sur les dangers du terrorisme. Elle s'est beaucoup investie en tant que présidente de l'Association des femmes du Niger contre la guerre AFNG auprès des femmes qui ont perdu leur mari et leurs enfants dans la rébellion. Nous avons d'abord organisé le premier forum à Kirozerine, un forum national, dans lequel l'inforum qui a vu la participation de toutes les régions du Niger. Parce que nous, nous pensons que le problème doit être un problème général et il faut consolider la paix retrouvée. C'est ainsi que nous avons procédé d'abord à la sensibilisation des femmes, à la sensibilisation des jeunes. Fatima Al-Hassan, qui a perdu son mari dans la rébellion, témoigne avoir été soutenue par Azara et son association. Écoutons-la. Eh, Oui, je connais Azara Mamadou car elle m'a beaucoup aidé. Elle et son association. Nous les femmes de cette région, nous avons bénéficié des dons des chèvres et vaches. Maintenant, avec mes chèvres, j'ai du lait et fromage et encore je vends parfois pour subvenir aux besoins de mes enfants orphelins. Azara Mamadou a connu de près les ravages de la guerre. C'est pourquoi et lutte pour la paix en toute connaissance de cause. Memouna Séniaïe, euh, chargée de programme à ONU Femmes. Début mai, vous avez organisé, ONU Femmes a organisé à Niamey une conférence à euh, ONU Femmes G5 Sahel. Alors, pouvez-vous nous parler brièvement hein, de ce qui était de cette conférence Je peux parler de manière globale. C'est aussi qui a conduit justement à cette conférence. Euh, parce que en 2000, les Nations Unies ont euh, voté la résolution 1325 sur euh, les conflits, l'implication des femmes dans les processus de paix. Et donc, euh, ONU Femmes a le mandat de coordonner en tout cas les actions de la mise en œuvre de cette résolution 1325 qui permet vraiment l'implication des femmes dans la prévention des conflits, la gestion des conflits et même euh, la consolidation de la paix. Donc, euh, dans le cadre vraiment de cette résolution, ONU Femmes a appuyé euh, l'élaboration du plan d'action 1325 dans différents pays et a aussi saisi l'opportunité pour mettre en place, en tout cas participer à la mise en place de la plateforme des femmes du G5 Sahel. Et donc, c'est dans le cadre vraiment des activités de cette plateforme como que euh, et donc il y a eu la conférence régionale qui a eu lieu récemment à Niamey, qui a vu la participation de, de, plusieurs pays et pour parler justement des questions de paix, des questions des rôles des, euh, des femmes dans les processus de paix, notamment au niveau de la région du Sahel. Alors on, en parle euh, donc avec avec vous, Memouna, le rôle de ces femmes que font, quel est le rôle que jouent ces femmes pour le retour de la paix qui sont leurs soutiens, voilà, et leurs partenaires. Ok, donc euh, nous, on parle de l'idée globale que la femme donne la vie, donc elle sait la préserver. Les femmes sont des actrices vraiment importantes dans les processus de paix. Je parle de processus de paix parce que euh, y a euh, <laughs> l'aspect prévention, l'aspect gestion, l'aspect aussi consolidation des acquis dans, le domaine de la paix qu'il faut. Et à chaque étape de, ces aspects dans le processus de la paix, les femmes ont un rôle important à jouer. En termes de prévention, on connaît dans nos communautés que les femmes, justement, ont un rôle, euh, euh, jouent ce rôle d'apaisement euh, au niveau des communautés. D'où on dit il est important donc de faire participer les femmes à tous ces processus de paix. Parce que si les hommes partent prendre des décisions, et on dit chez nous la nuit porte conseil. Et les femmes disent la nuit porte conseil, c'est en réalité parce que vous allez aller coudre entre hommes vous revenez, vous rendez compte à vos femmes qui vont tout découdre. n'acceptent pas on n'est pas d'accord. Et donc, alors que si les femmes aussi étaient impliquées à temps dans ces processus, elles étaient sur, place, sur place, participer, représenter dans ces euh, instances de décision, elles peuvent déjà donner leurs idées, débattre et ensemble sortir avec euh, des consensus qui peuvent préserver euh, la paix dans un pays. Et les femmes sont importantes également et, dans ces processus de paix parce que la femme est au foyer. Des fois, c'est aussi une question d'éducation. L'éducation à la paix, ça commence par les femmes qui sont proches des enfants, qui peuvent encadrer les enfants. Donc si les femmes ne sont pas formées, si les femmes ne sont pas informées, quelle éducation elles peuvent donner C'est sûr, les pères ont un rôle à jouer dans cette éducation à la paix. Mais si la femme, qui en partie est plus proche des enfants, n'a pas reçu ces, informations, ces formations sur euh, l'éducation à la paix, comment elles peuvent déjà développer le, la culture de la paix au sein du foyer et qui peut peut déjà aussi se traduire au niveau de la société, de toute la communauté et, et dans son entier. Donc voilà pourquoi on ne peut pas faire la paix sans les femmes. Il faut le faire avec les femmes et pour les femmes. Et c'est comme ça seulement qu'on peut réussir vraiment et, à consolider la paix dans nos, dans nos pays euh, respectifs. Parce qu'il faut aussi renforcer les capacités des femmes, même économiquement. Une femme qui, qui, qui est économiquement euh, euh, renforcée peut contribuer à, la consolidation de la paix, parce qu'elle peut contribuer à l'éducation même formelle de ses enfants. Et ONU ONUFAM est donc partenaire. Euh, est partenaire avec beaucoup d'organisations de femmes et qui œuvrent pour la paix et pour vraiment les droits des femmes en général, euh, que nous, nous renforçons euh, leur capacité, euh, en tout cas, à, à, élaborer et aussi nous les accompagnons avec des financements à mettre en œuvre des activités dans ce sens. Et nous travaillons également avec le ministère de la Promotion de la Femme dans le cadre justement du plan d'action 1325 du Niger. Et le Niger est à son deuxième plan d'action et qui va bientôt être évalué pour voir déjà les avancées du Niger par rapport à la mise en œuvre de, du plan d'action 1325. Alors nous allons euh, conclure ce chapitre avec donc euh, un extrait de l'entretien que nous a accordé la présidente de l'association des femmes nigériennes contre la guerre, euh, Zara El Hadj Mahamadou Alitan. Elle souligne ici la contribution des femmes d'Agadez. Elles ont toutes compris que le conflit ce n'est pas une bonne chose et que les qui ont compris ce sont elles qui, qui souffrent. L'apport qu'elles ont apporté c'est surtout la sensibilisation au niveau de leur foyer, avec leurs maris, avec leurs enfants, avec euh, les membres de la famille et même dans les quartiers. Elles ont même eu à faire de porte à porte pour leur dire que la paix là, elle n'a pas de Elles se sont d'ailleurs constituées en association, en groupement féminin pour défendre leurs intérêts. Maintenant, tout en sachant que la paix ne peut être durable si elle n'est pas soutenue par un développement. Il faut, vite compris qu'il faut lutter contre la pauvreté, il faut lutter contre le chômage des, des, enfants. Il faut essayer d'occuper ces enfants, ne serait-ce que par des petits travaux que les mamans font et que, et contribuent. Donc euh, c'est une manière quoi de retenir ces enfants pour qu'ils ne se fassent pas recruter quand il y avait eu l'occupation du Mali, quand il y avait eu l'affaire de, de la Libye. Donc ça s'est accentué. Les femmes ont plus pris l'affaire à main qu'auparavant. Parce que maintenant, euh, on voit ce qui se passe dans les autres euh, pays, surtout qui sont limitrophes, on voit ce qui se passe dans les autres communautés. Donc, il faut vraiment faire en sorte que ça n'arrive pas chez nous. Et pour que ça n'arrive pas chez nous, nous, la seule arme que nous avons, c'est la sensibilisation. La seule arme que nous avons, c'est de faire des plaidoyers au niveau de nos dirigeants, au niveau de nos autorités, au niveau des partenaires des bailleurs de fonds, pour que les jeunes soient occupés, pour que ces femmes soient autonomes euh, économiquement. Ça peut apporter un plus toujours dans les foyers, ça peut toujours aider. Nous venons donc d'entendre Zara Elad Mamadou, dita Alitana, euh, la présidente euh, de l'association des femmes nigériennes contre la guerre. avant de nous séparer, une page de détente avec notre rubrique Affairage. Affaire, affairage, Affaire. affairage. ma copine, c'est quoi ces lunettes noires Hé, Tu as vu ton œil Comment il s'est enflé Et toutes ces marques rouges Ma soeur, comment t'expliquer <laughs> Mais parle Dis quelque chose Tu es tombée Est-ce que tu as été agressée J'aurais préféré tout ça. Malheureusement, c'est mon époux qui m'a battue. Il s'est jeté sur moi et m'a rué de coups. Bah quoi Battu Tu dis C'est pas croyable. Et qu'est-ce que tu as fait Je veux dire, tu as informé quelqu'un Qu'est-ce que je peux faire C'est le père de mes enfants. En plus, si j'informe les gens, c'est comme si j'exposais mon couple. Qu'est-ce que tu racontes Tu ne sais pas que quand un homme te bat, que tu ne le dénonces pas, il recommencera à chaque fois que l'occasion se présentera. Sur moi-même, je suis fatiguée. Mais, hum, qu'est-ce que je peux faire Je n'ai pas le choix. Oh, que oui, tu as le choix. Et même plusieurs choix. Que dois-je faire Où devrais-je aller Voilà. C'est maintenant que tu as parlé. La première chose que tu dois faire, c'est d'établir un certificat médical. Certificat médical Mais comment faire ça Écoute, dès que ton mari te bat, cours vite à l'hôpital voir un médecin qui fera le constat et établira le certificat médical. Si tu n'as pas de moyens, alors rends-toi chez le procureur pour porter plainte pour violence et voie de fait. Sinon, pour que ce soit très rapide, va au niveau de la police judiciaire où tu pourras prendre une convocation. Tu sais bien que je n'ai pas de moyens. Il paraît qu'il faut de l'argent. Quel agent Rien du tout. Il y a l'Agence nationale d'assistance juridique et judiciaire qui aide les femmes sans ressources dans les procès. Et c'est encore la Commission nationale des droits de l'homme ou les ONG qui défendent les femmes comme SOS Femmes et Enfants victimes de violences. Ton mari risque deux mois de prison voire au-delà si ton état est grave. Si c'est grave, il devra aussi te verser des dommages et intérêts. Ah bon Oui, il pourra peut-être s'en sortir avec un emprisonnement, avec sursis, s'il s'excuse. Le plus important est que cette procédure peut conduire au divorce. Cela est laissé à l'appréciation souveraine du magistrat qui aura l'affaire en main. Je peux donc être écouté et même entrer dans mes droits et j'ai supporté cet enfer. Tu vois, non. Mais attention, si ton mari prouve que tu l'as provoqué ou poussé à bout en posant des actes ou en l'injuriant, il pourra bénéficier de circonstances atténuantes. Fais donc attention. Circonstances atténuantes, ça veut dire quoi <laughs> Une condamnation à une peine moindre, la moitié de la peine encourue. Ah, ok, je comprends. Merci ma copine. Dès demain, j'entends la procédure très bien dit, du courage. Aucune femme ne devrait accepter d'être battue. conflit, femmes victimes et actrices de paix, nous retenons surtout que les femmes dans les zones de conflit le prix fort. Les femmes sont particulièrement exposées en période de conflit, notamment à des violences basées sur le genre. Elles rencontrent des difficultés, d'énormes difficultés sociales et économiques dans ces zones. Ces femmes jouent pourtant un rôle important dans le retour, pour le retour de la paix. Elles font un travail de sensibilisation dans leur foyer, auprès de leurs fils, de leurs maris, de leurs entourages, sur les méfaits de la guerre et la nécessité de préserver la paix. Pour discuter de cette thématique, nous étions avec au téléphone la vice-maire de Bani Bangou, Bibata Yassi. Bibata Yassi, merci d'être resté en notre compagnie pour ces 45 minutes. Merci aussi. Memouna Seni Yaye, chargée de programme sur les violences basées sur le genre à ONU Femmes Niger. Merci beaucoup. Merci à vous et Kadidia Abdou, responsable communication du Comité international de la Croix-Rouge à Niamey. Merci. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous des programmes du studio Kalangu demain à partir de 17h sur nos radios partenaires. Envoyez vos témoignages et vos propositions en message vocal par WhatsApp au 80 06 88 54. C'était Diallo Mariama Kenda à la présentation et à la partie technique Chambiano Abdul Kader. À bientôt.